outside. Jama'a ami la fada bonsoir ‘yan wa matasa barkan ku da war haka barkan sake san tare da ku a cikin wannan shirin mai katar da ku shirin ma fada kenan wanda a yau ni Fanta Shamsu zani gabatar. Sai suwar dans votre émission Tusa la fada wanda ya kawo ziyara garin Tawa Tawalele birnin Adar. Nous allons parler de jeunes dans l'entrepreneuriat autour du numérique et voir éventuellement quelles sont les activités les plus prometteuses. Wato shirin nam zai karkata ne akan sana'o'in da matasan garin Tawa ke yi a fannin de shafi numeric internet de En effet, la promotion de l'utilisation du numérique et des technologies de l'information et de la communication fait partie des stratégies de l'État du Niger pour l'atteinte des objectifs de développement durable, pour la mise en place de l'Agence nationale pour la société de l'information, l'ANSI par exemple. Les caravanes numériques ont aussi été organisées un peu partout. Tawa en a aussi bénéficié en août 2022 et bien d'autres actions actions qui sont menées par l'État du Niger et ses partenaires pour la promotion de ce secteur. Shi sa yau muka tattara matasa waɗanda sana'ar su ta shafi wannan fannin ne domin tattaunawa tare da su akan des avantages de ces activités, des inconvénients s'il y en a, sun samu karbuwa ko ko a'a wani bangaren numerikin ne fi samun karbuwa a nan garin na tawa. Yawa matasa ku ci gaba da kasance tare da mu domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin a cikin mintuna 35 wanda shirin namu yake ɗauka. Isa lawali akan inji idan 该失联。 Masauraran mu yau a cikin fadar tam da taya da zango a nan filin Plus Public na garin Tawalele birnin Adar inda kamar yadda muka gabatar muku zamu tattaunawa ne tare da matasa akan dukkan wani activity autour du numérique. kuma muna tare da manyan baki zan ba su dama kowane ya gabatar da kanshi. Les dames d'abord comme Moi je suis euh, Amina abdrahman et je suis communicatrice au sein de notre euh, entreprise et une TV web au nom de Adel Africa TV. Ader Africa TV. Oui. Bienvenue Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Hassan Azza Abdelwahidou. Je suis le directeur général de la maison de production vidéo, images et les mots pictures. Euh, assalamu alaikum. Je me présente au nom de Haroun Yakoub Abdelmajid. Je suis le CEO de Next Tech Niger car le promoteur de Next Tech Niger ici à Tawa. Bonsoir, je suis Saïd Dramaru, je suis le manager de la Web TV Agence Akopa. Dukkan ku barkan ku da zuwa a cikin fadar tamu. Ba tar da bata lokaci ba zan fara da tambaya ta ta farko. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat numérique Je commence avec vous, Saïd. Euh, merci beaucoup pour la question. Ok, donc moi, je suis euh, communicateur et en même temps marketeur. J'ai fait l'université d'Ottawa au sein de l'Institut universitaire de technologie d'Ottawa, option communication des entreprises. Euh, j'ai fait aussi l'Institut privé de, de nouvelles technologies de l'ADER en communication et stratégie marketing. Donc euh, c'est partant de cela, étant donné c'est déjà une passion pour moi la communication de voir depuis la première année, deuxième année, avec mon petit portable, je faisais des enregistrements. Donc euh, je viens avec des petites applications je monte et je balance dans les groupes. Jusqu'à là, vous avez votre entreprise qui s'appelle Acopa. Acopa, justement. Quels sont les produits ou services que vous proposez Donc, l'agence euh, agence Acopa, c'est en tout cas une agence de communication euh, nous proposons tout ce qui est euh, reportage, publi-reportage, euh, des courts-métrages et longs-métrages, documentaires. Je peux aller ici aux documentaires. il y a aussi des films institutionnels. On fait des films institutionnels. Ça, c'est du point de vue audiovisuel. Il y a aussi du point de vue visuel. On fait tout ce qui est, en tout cas, la conception graphique, la production des moyens de communication visuels partant des fleurs, euh, des dépliants, mhm. des logos, ainsi de suite. est-ce qu'il vous arrive de former d'autres jeunes Oui, justement, parce que euh, en dehors des prestations, nous faisons aussi des formations euh, du point de vue de mes compétences. Étant communicateur, j'ai fait des formations sur la prise de parole en public, dans les écoles, même souvent au niveau des universités, et aussi en entrepreneuriat. Vous voyez, donc à travers nous, ils ont appris à tenir un micro, ils ont appris à lancer les logiciels de montage, à faire des interviews, à poser des questions aux grandes personnalités. Vous voyez, donc on peut dire que nous arrivons à former d'autres jeunes à travers Agence Acopa. Amina, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce que vous proposez à travers Adore TV D'accord. Et déjà que moi, je suis une personne, euh, je dirais, avant de me découvrir, avant d'arriver à l'université même, à travers euh, mais dire à travers euh, ma communication quand je suis euh, parmi des gens, au fait que je suis une personne influence quand je prends la parole. Et là, arrivé à l'université, je me suis plus découvert à travers les activités parascolaires qu'on fait à l'université. Chaque fois quand je vois une formation qui est dans le cadre des de, qui, qui concerne au fait la communication et même au-delà de la communication, je je, je, je essaye toujours de, m'insérer dans cette, dans cette activité-là. Après ma licence, je suis là, je suis, euh, j'ai été recrutée au niveau de ADER Africa TV. ADER Africa TV, c'est une agence de communication également. C'est un centre également de formation mhm. qui forme des jeunes sur euh, le montage audiovisuel, tout ce qui est montage, tout ce qui est communication, marketing, le graphisme, le shooting et tant d'autres. Et donc on fait la, la production également, les courts-métrages et tout, les mhm. films même, on, fait des réalisations également. donc vous, faites à peu, près, les mêmes activités. domaines. Abdelmajid euh, Moi, depuis toujours, j'ai été un entrepreneur, si je peux le dire. Parce que dès le bas âge, euh, dès à l'âge de 13 ans, j'avais euh, ma petite télévision euh, je ne sais pas si vous connaissez ces gars. Ah, ok. <laughs> Menene, jeux vidéo. Jeux vidéo, Voilà. en 2006, euh, je me souviens très bien, on avait ça à Madawa, là où euh, les, jeunes venaient pour jouer et nous donner 25 25 25 kamar dan gidan nan da ake tara matasa suna biya ana buga game kamar haka nan kwa ha inda abu ya kai kuma duk inda muka je hannu sai playstation da su kwa to tun daga nan ne abun ya tashi oui, et de là aussi, euh, moi, j'aime beaucoup euh, les ordinateurs installés. Il y avait mon grand frère qui avait un ordinateur et j'étais curieux. Dès qu'il laisse ça, je pars. kashi hakani. Y compris la télévision de la maison. in yi deprogrammen ta in taho a kashi a kama gyara in kalla in ga da ake gyaran shi don gobe in bata in maido parti de là. ana anana. ana na euh, Ici même, tawa kuma isi mem muna yin sega de sarwansu donc on next c'était en 2021 donc euh, c'était avec un partenaire Anatimichi Abdurazak ce qui nous a beaucoup motivé euh, c'est vraiment euh, on a vu qu'il y, avait plein de problèmes ici aux alentours dans nos, dans, nos vies, dans le quotidien de tout le monde au fait. on s'était dit pourquoi ne pas essayer de résoudre ces problèmes-là à travers le numérique. Donc c'est tout ça. Donc il vous arrive de former aussi on mhm. fait la formation en infographie, et euh, en maintenance aussi et en micro-informatique. Euh, C'est gare ka, Ansa. Elmus, photographie kaɗai ne kuke ko da mi da ne kuke yi? Bon, nous faisons la photographie et la vidéographie et pas trop les, montages autres là mais c'est seulement la photographie qui, sur laquelle on, s'est trop basé. Donc vous êtes autodidacte. Eh oui, eh, mon coach qui est là, Abdelmajid, mhm. vraiment lui aussi, c'est lui qui m'a aidé. Avant, si je me rappelle, en 2019, j'essaie seulement de démarrer un ordinateur. Mais avec lui, Dieu merci, on est parti. Est-ce que là, on est en train de prospérer comme ça. Ok. une photographie photo? tout ce qui concerne euh, la photo, nous faisons, quel qu'en soit ce que la personne. Mais là, c'est les photos que nous faisons de plus, c'est les photos shooting et quelquefois les photos euh, externes. Comment votre activité a été accueillie Ya suka karbi a euh, quand tu t'es lancé. Quand on s'était lancé, vraiment les gens nous ont bien accueillis si je veux le dire. Parce que euh, on reçoit des prestations par-ci par-là, des petites prestations jusqu'à avoir aussi euh, des grandes prestataires, des grandes, euh, comment dirais-je, des grandes entreprises. ya jama'an suka karbi sana'ar nan taku da kuka fara ta to shi dai wanga sana'ar da muka fara dama photo shooting bai jima da ya fara zuwa garin tawa ba eh, tun da da da nake yin shi kamin wannan da yana yawo da kamera da vraiment mutane yana burga su su ga an ɗauke su cikin kamera kuma sai masha Allah ga lokacin yayi an buɗe vraiment samu karɓuwa gare su gaskiya tunda ko da ba su zuwa kullum dai mutane suna gwada min da vraiment aikin suna bukata a musu eh na samu karɓuwa ƙwarai gare su no principal client mata su yawa mhm. tunda su suke zan vraiment a gasoyin haske mai ba su suke son ku haska su da eh. <laughs> bakin su da samu kamar yan samari irin wannan lejana da dizuita a kenzan hazuwa vincent kan kwamsa kuma muna samu wata ran le jeune mari le nouveau jeune mari la kiliyan sarki ne amma akwai wani kiliyan da ka gane shi ka san dai <laughs> yana so dai kamar duba sai wani dubi ne ke mutum ba mais à quoi kiliyan client parallèles, vous ne pouvez jamais être ensemble toi et quels sont vos principaux clients nos principaux clients en fait nous comme euh, tous dans le domaine de la communication on touche à tout donc euh, notre clientèle est mixte les femmes comme les hommes, on couvre tout. Les entreprises Les entreprises aussi, oui, bien sûr, les entreprises aussi. Puisqu'on fait des reportages, public-reportages et la publicité et tout ce qui en suit dans le domaine de la communication. Donc, euh, la clientèle est mixte. Et Abdelmajid Kouha, quels sont vos clients euh, Nos principaux clients sont entre autres euh, les entreprises d'ici qui veulent par exemple des impressions à grand format comme le vinyle sur le vinyle ou bien sur les bâches, genre pour le branding ou bien pour embellir vraiment leur entreprise pour que ça soit présentable. Donc, euh, en plus de ça, le particulier. Les particuliers sont ceux-là qui veulent assez qu'on leur répare leurs ordinateurs ou bien euh, qui veulent des formations en infographie ou bien en micro-informatique. Ou, oui, pour les visuels aussi, pour l'installation des caméras de surveillance. Euh, nos clients, c'est d'abord les institutions. et l'État, parce que nous couvrons énormément des activités de l'État Ensuite, il y a les organismes non gouvernementaux, les ONG. Euh, en tout cas, on collabore, on collabore beaucoup avec les ONG dans la réalisation souvent des reportages, souvent des publics reportages et aussi des articles web, parce qu'on peut aussi de la presse en ligne et, la presse écrite à travers notre page Facebook. Là aussi, on rédige des articles et on publie. Ensuite, nous avons aussi des particuliers, parce que, étant donné qu'on est une agence de communication, euh, nous sommes appelés aussi à aider euh, la population Tawa qui est là pour avoir une visibilité, euh, en tout cas sur le digital. Donc les, alimentations, les boutiquiers des quartiers, en tout cas, nous arrivons à les concevoir ou bien à les produire des spots publicitaires de 30 secondes hein. justement. Donc nous arrivons à, les produire des spots publicitaires pour promouvoir leurs produits et services. Voilà donc nos clients qui sont en tout cas qui nous touche pour le moment. C'est pas tout, mais qui nous touche pour le moment. <laughs> Vous comptez élargir Oui. Allah eh, Et avant de continuer studio la rubrique rose on écoute et on revient tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue de la la rubrique rose de ce samedi. Je suis Mariam. Aujourd'hui, de la partie santé et bien-être de la rubrique rose, je partage avec vous quelques vertus du moringa sur la santé et quelques maladies sur lesquelles la consommation du moringa peut avoir de l'effet. On dit du moringa qu'il guérit 300 maladies. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses médecines ancestrales depuis des millénaires, ainsi d'Asie jusqu'en Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Nombreuses sont des utilisations de l'arbre de la vie. D'ailleurs, on utilise aussi bien le feuille que les graines, mais aussi le corse ou encore les racines les bienfaits du moringa. Avant toute chose, il est important de vous prévenir que les études sur le moringa ont bien montré sa richesse en phytonutriments. Toutefois, dans certains cas, des études sont encore en cours pour confirmer son effet potentiel sur certaines maladies. Dans d'autres, les effets bénéfiques ont déjà été prouvés. Prévenir les maladies cardiovasculaires grâce aux propriétés antihypertensives de feuilles ainsi que l'effet qu'elles sont également antioxydantes, anti-inflammatoires et qu'elles règlent la glycémie et la lipidémie. On peut aisément conclure que c'est une bonne alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires, booster la réparation musculaire. La présence de nombreuses vitamines, de nutriments et de l'isolement dans le moringa permet de renforcer vos performances physiques, mais aussi de faciliter la récupération après l'effort. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Passons à présent à l'espace cuisine. Eh oui, coucou les filles, c'est Mira. Dans l'espace cuisine de ce samedi, je partage aussi avec vous quelques recettes insolites à base de moringa. Le moringa est très riche en minéraux, fibres et protéines. On en consomme les feuilles, les graines ou encore les racines. Celui qu'on nomme l'arbre de la vie grâce à sa grande résistance à n'importe quel climat a un goût assez fort et amer, mais reste un aliment privilégié des amateurs de cuisine énergétique. Le moringa est un ingrédient très versatile. Il agrémente aussi bien des barres de céréales qu'un smoothie ou un guacamole. Transformé en poudre, il relève sauce et tartinade et convient particulièrement pour vos recettes détox, ou bien le consommer après cuisson des feuillats avec de la pâte d'arachide ça, c'est un classique. Alors, voici quelques recettes qu'on peut faire avec du moringa. Des barres énergétiques au moringa. Voici trois ingrédients pour une barre tendre facile à réaliser, sans sucre ajouté. Ces barres tendres associent un fruit sec, la date, la noix de cajou. On ajoute euh, de la poudre de moringa. Vous pouvez y ajouter aussi des épices comme le cannelle ou le gingembre. On passe maintenant à la soupe détox au moringa et légumes verts. Les ingrédients sont les suivants. 1 kg de courgettes émincées, 1 litre de bouillon de légumes bio, 100 g d'épinards, 50 g de choux, 25 g de persil haché, un oignon émincé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre noir, 20 g de poudre de feuilles de moringa bio. Voilà, c'est avec tous ces ingrédients que vous pouvez faire votre soupe détox au moringa et aux légumes verts. Pour faire, en euh, faire revenir l'oignon dans une casserole à huile d'olive à feu moyen durant 2 minutes. Ajoutez les courgettes et cuire pendant 3 minutes. Ajoutez le bouillon de légumes et les épinards, les persils et le sel et le poivre. Laissez mijoter pendant 5 minutes Retirez du feu et laissez légèrement refroidir. Ajoutez la poudre de moringa bio et mixez à l'aide d'un blender jusqu'à ce que la soupe devienne veloutée. Servez aussitôt la soupe. Bonne dégustation. On peut aussi euh, prendre le moringa dans une infusion, en thé bien sûr pour accompagner euh, notre plat. Et à demain mes très chers pour parler toujours du moringa en cuisine mais avec d'autres informations. tu veux tu sais bien qu'elle est pire qu'un espion. Bon, pardon. Je posais trop de questions. Mais je fouillais pas ton téléphone, hein, je vérifiais la connexion. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fin nous film place publique les jeunes dans l'entrepreneuriat autour du numérique à Tawa. Quelles sont les activités les plus prometteuses et aussi les difficultés qu'ils rencontrent. ci gaba da To gaskiya eh, abin da ke ba mu wahala na farko cikin bangaren sadarwa a gaba daya mutanen tawa gaskiya ba kamar misali mutanen yamai ne ba suna fahimtar abin da ma sadarwa mhm. mutum idan zai ce kai mushi abu zai ce dan abun ga kamar ba wa kamar yana nuna abun bai da ba wani wahala ne gare shi ba mhm. sai fa difficile kwa a lokacin nunu sabon suban pour maîtriser ça, il a fallu passer par les universités. Donc, euh, en passant par l'université, c'est un parcours. Vous voyez Donc, je c'est dans Abunga. Et ce qui fait que vraiment, ça nous ridiculise parce que une entreprise, quand elle n'arrive pas à réaliser souvent des chiffres, ba ta samun kuɗi da wanda ma shi yake cikin entreprise in ba harka ne ba gare shi. Na biyu eh, ɓangaren harkan talabiji ta yanar gizo kun san abu ne wanda yake sabo a nan Niger nan ga da dama akwai yan jarida wanda suke cewa blogger ni ba blogger ne ba ni dan jarida ne yanar gizo ko gwamnati ta abun nan ta yi vulgarisation ko ba ta yi moi je me prends un journaliste eh, qui fait la presse en ligne voilà journaliste web parce que ça c'est ça c'est pas commencé au Niger et c'est pas au Niger ça va terminer. Vous voyez Pourquoi j'ai dit ça Parce que j'ai fait les mêmes activités que tous ceux qui sont dans les médias classiques. J'ai fait la collecte, j'ai fait le traitement. C'est seulement les canaux qui diffusent. Donc vous voyez, ces problèmes-là, c'est un problème qui est là. Même ceux qui sont nos confrères souvent essayent de nous ridiculiser, souvent pour ne pas reconnaître nos compétences ou bien ce que nous faisons comme un travail acharné. Et vous-même, vous, le savez mieux que nous. Je pense que Studio Kalangu peut-être a un site internet ou bien à une page Facebook On a une page, on a un site, on fait beaucoup de web. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre télévision, mais avec votre smartphone, très facilement vous pouvez, euh, en tout cas, regarder. justement, vous voyez. Abdelmajid, quoi, on a To mu gaskiya kalubalen da muke fuskanta gaskiya sai ku ga mutum ya zo wajen neman service kamar wanda ya faɗa muku. Abun nan ana yin shi kama a ce biyu kai ka zo ka ce ko rabin ɗaya ba za ka ba mutum ba ko kuma ka ce banza za ma wannan su kaɗai ne gaskiya suke bata hmm. muna aiki gaskiya eh kuma eh, mutum ya san wannan abun kana yin shi ba zai ta yi wurinka ba ya nema nan akwai garin nan waɗanda a ayyukan sun yamai ne ake musu kuma in kun ka ɗauka nan muna conception in logiciel un logiciel de gestion intégré muna eh, conception in application mobile on a déjà une application qui est opérationnelle kuna muna conception in site web muna conception graphique muna impression e consort duka abin da ya biyo baya duka wannan muna yin su muna kuma formation to yanzu mutum cikin waɗanga abubuwan sai ku gani mutum ya ƙetare tawa ya ta hanya mai uwa duniya ya ta can a yi mai shi da tsada mu a anan kuɗin da za mu yi ma ko rabin abin da za ka taya can ka biya ba zai yi ba to kama haka ne kwa to me yake kawo haka. me yasa sun yi yarda da cankin ne ko cewa suke kawo mutane sun yi ƙwarewa bisa kai gare mu kama haka ne kwa kuma sai ku gani aikin da za a zo a yi ma ka ta yi kwana biyu dole mu da annan tare da kai sai ka nemo mun ta mun gyara ma dole ne wannan dan saboda baka iya do mutum ka ce ka tado shi ya zo ya yi maka abin kuma ya koma kai ka ɗauka sharje shi komai da komai na installation na camera de surveillance haka ne ko mutane suke akwai wannan ga har miliyan an yi mai installin camera de surveillance isi a tawa shi da bakin shi yake faɗa min wata ran ne ya zo yana neman wanda zai yi mishi ya ce shi ya ce shi bai sani ba en sallah juste mun fara buɗa ne mun fara ayuka ne quoi officiellement parce que da officieusement muna yin shi da muke gida yace voilà un million an kai man installenta banda kuɗin sai alorke kuna ku bai kai haka alorke mu ko rabin rabi ba zai kai ba takan yi ba to kama haka ne ku. Eh, gare ka an za kowane irin matsaloli ne kuke fuskanta kuma. eh matsala na harko shine kama yadda wanga ya faɗi grand frère kama jiskila la technologie et mal accueillie à Tawa pourquoi parce que si eh, je prends moi eh, mon cas si un client vient chez moi il me dit la photo Je crois que lorsqu'il demande la photo, là, c'est juste prendre la caméra et capter et transmettre ou bien lui transférer. directement. ça, ça, a été traité en cachet dans nous, a eu commis de commis. Parce que si réellement la, euh, la clientèle euh, veut vraiment une belle photo, au moins sur une photo là, je dois euh, perdre quelques minutes ou bien une, heure comme ça en train de lui traiter l'image. Mais c'est que moto on lui dit voilà le prix de la photo il me dit non moi je vais ça je vais ça ko bai ce min ai wajen wani hakan ga aiki sai ni ko abin da ke ce moto sai ce kadiba diba kayan ko kuma kadiba diba aikin ka ga iri ɗaya ne nan ne matsala yanzu bangaren kamar harka evenema da sauransu kamar don wanga yake kasa arme za ka yi ko kuma kasa activity gare ka mais pourquoi ne pas eh, prévoir des des des sous pour eh, la couverture eh, médiatique médiatique oui oui sai mutum ya ce yana da arme Et elle veut créer aussi des souvenirs, mais elle ne peut pas déposer l'argent pour les photos et autres là. C'est muto dit ah non non, si dama ya kusa sai akwai photo. Kena là babu wani ma je kana yi ka ne kawai eh kaman gani suke kaman an ce foto ragaita ne kuma gani suke non non c'est avec la photo seulement qu'on peut vivre c'est pour cela je ne sais pas ce que nan ga mun abin nan da quand on dit image là, une image là, ça parle. Une image vaut mille mots, comme Ah, yanzu da yawa suka zo na musu aiki. Vraiment suka dauki aiki sai su ce su su yi dama Kamar abin da wani ta ga musu da cewa non photo ba komi ne ba. Da yawa sai an musu aiki ne sai su ce vraiment su ji daɗi. abin dai duka dai wurin dala ne matsala yake que les gens ne veulent pas vraiment eh, su ba da kuɗi a musu aiki gani suke an ce foto ya telefon ya tusa sai ce to to da ka ce akwai telefon akwai komai sai ka kai da salula mana haka ne mm. Majid, en quoi votre activité contribue-t-elle au développement socio-économique de la région euh, Tu peux le dire. Ici, euh, on a aidé euh, pas mal d'entreprises vraiment à numériser euh, leur contenu. Quand vous prenez à qui on a conçu un logiciel qui lui permet de gérer sa clientèle et en même temps sa comptabilité qui envoie des messages euh, d'RDV et consorts. Donc même là, vraiment, quand vous voyez, quand vous prenez sur le plan économique, vraiment, on a gagné du temps. Non seulement il va gagner du temps au niveau de la production et euh, des reçus et consorts, mais aussi ça va permettre à, à cette clientèle-là de vraiment venir à temps et puis prendre leurs produits. Eh oui. À part ça aussi, nous avons euh, conçu une application pour un client qui est à Agadez qui lui permet tout simplement d'envoyer de l'argent d'ici au Niger euh, jusqu'en Algérie. Il a partagé ça avec ses, collaborateurs d'Algérie. Et là aussi, vraiment, ça, va lui permettre de mieux gérer euh, son activité. Ok. C'est dit, en quoi votre activité contribue-t-elle au développement socio-économique de votre région En tout cas, du point de vue social, nous arrivons quand même euh, contribué dans le sens souvent à euh, réaliser des reportages maison à la population qui sont vulnérables ou bien qui sont à la recherche d'une assistance. grâce à nos reportages maison, ils arrivent à être en entendus et voire même satisfaits. Mhm. En plus, du point de vue fonctionnement de la ville d'Ottawa, nous regardons de près qui se passe et nous essayons de voir là où il faut piquer l'État ou bien euh, les collectivités territoriales. On essaie de réaliser des reportages pour qui en tout cas alléger la population. Dans ce sens, justement pour que les autorités puissent entendre ou bien voir, voilà un problème social qui est là, il faut que vous réagissiez très vite parce qu'avec les caniveaux, on a eu à réaliser des reportages, des faits optiques. Moi, je peux partir parmi les premiers, plus d'un an à a pas d'effet optique. Je faisais partie parmi les premiers qui ont réalisé les reportages. Et grâce à ça, ça a été réparé, les caniveaux, ainsi de suite. Et du point de vue économique, nous avons une émission qu'on appelle Un entrepreneur, un entretien. C'est une émission grâce à, laquelle j'ai été très fier. J'ai eu à m'entretenir avec euh, un entrepreneur qui évolue dans l'agroalimentaire. Il a eu ses prestations euh, au Bénin grâce à l'émission qu'on avait réalisée. Euh, le monsieur qui est au Bénin, il rencontre un problème du point de vue agricole. Donc, quand il a vu le monsieur expliquer dans notre émission, il nous a contactés et on les a mis en relation et il est parti là-bas pour la prestation. Donc voilà, grâce Des à cela, très bon retour en fait. Vous voyez, donc euh, c'est des aspects-là que je peux, en tout cas dire, on peut dire que nous contribuons, nous contribuons beaucoup euh, dans le développement socio-économique de notre communauté. Merci beaucoup C'est parti pour la pause musicale les amis. Nous chaque temps fait na Mangoro artiste Lamido. Mama Ma, mama Mama mama mama Sabu mingu dabi umanguru Nibadisha kumise manguru Weyu manguru Dadi manguru mm, Manguru Ne itachi ya manguru Inilamido miziki ya rumai wakanta nasu yaunazoda sabuwo waka mogoro sabuda inaso nga isharuba be mogoro kwarana lasaka fangiwa maifasu shiya sanasanisha mogoro taru na fiso abana wakasu nakuna dayarinta alokacinda mukesu wa sata mogoro dukidanda mukaura sedekajimwe kadiya na fadi aka ndakurigabundale mulabe mucire semutura amakongoro Voilà, mes jeunes, c'était pause musicale de la Tugaba de Namu. Une dernière question avant de se dire au revoir. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat numérique à Tawan? Amina, je commence par vous. Déjà, ce que je peux dire est que Nombreux sont ces gens-là qui n'ont pas encore l'idée, qui n'ont pas encore réalisé que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est en croissance, évolution. Et de là, il faut également appeler à travers nous la communication qu'on fait aujourd'hui. Et chaque fois, nos conseils est que le métier, c'est un métier qui va toujours perdurer. Donc, il faut se lancer. Parce que la technologie aujourd'hui est en croissance rapide. Donc, euh, il faut se lancer. Ceux qui, ont, qui, sont là et qui, qui disent toujours non, ils n'ont pas, ils pas d'idée de, créativité. Il faut quand même euh, et c'est Surtout aujourd'hui à Ottawa, il y a ce manque d'éveil là. les jeunes hésitent en fait. Oui, ils hésitent, ils hésitent jusque là. Donc euh, vraiment, nous on les encourage à se lancer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à ces numériques là, au digital, vous pouvez vous former à travers les tutos qui sont sur YouTube. Vous pouvez vous former à travers les formateurs qui sont présents. Vous pouvez vous former à travers les vidéos qui sont vendues en ligne. Donc c'est ce que je veux dire à, à mes frères et sœurs de se former avant de se lancer dans les métiers du digital. Merci. Wani shawara Zaka, ka ba ma matasa na waɗanda su yana son su shiga cikin aikin nan irin naku? To ni shawarar da zan ba su gaskiya shine idan mutum ya ji yana iya kawai ya buga ya tsaya ya ce a'a bai da wannan bai da wannan ko sai ya tara wannan som zannan zai ta yayi in ka ce za ka yi haka nan ba za ka taɓa yi ba amma idan ka ɗauki eh, niyya ka ce a'a kai yau yau in ga sai ka ɗora to ina ga insha Allahu Allah zai dawo ma kuma ka samu ka ta yi to an za Abdulmajid ya ce niyya da kokari kai kuma za ka ce musu ni ba zan ƙara saban nashi da abinda zan cewa kuma kalkan suwa la chose que tu vas apprendre là, dis-toi qu'un tu pourras t'en servir ou bien servir Surtout que ça nécessite au fait, comme Agence Acopal a dit, une expertise. Donc du coup, il faut savoir choisir son angle. Parce qu'il y a certains qui se lancent au fait aujourd'hui dans le numérique sans savoir qu'est-ce que je veux faire justement. Tantôt il est ici, tantôt il est ici, tantôt il est là. Donc il faut savoir choisir ton angle et te lancer et ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. Merci beaucoup Amina. Avant de clôturer cette émission, nous allons d'abord accueillir nom 50% et sa chronique du jour. Ami du Fada, bonsoir. Bienvenue dans cette chronique dédiée à l'action humanitaire. Une aventure qui transcende les frontières pour apporter espoir et soutien aux plus vulnérables de notre planète. Pour commencer, parlons de l'essence même de l'action humanitaire souvent menée par des héros anonymes repose sur la compassion et la volonté de faire une différence c'est un appel à l'empathie qui transcende les barrières culturelles, politiques et sociales. Alors, quels sont les défis du terrain auxquels font face les travailleurs humanitaires Plongeons au cœur des défis extraordinaires auxquels font face les travailleurs humanitaires. Ces héros qui lancent courageusement dans l'inconnu pour offrir de l'aide là où elle est désespérément nécessaire. Premièrement, les zones de conflit. Les travailleurs humanitaires opérant dans des zones de conflit font face à des risques constants. La sécurité personnelle devient une équation complexe, équilibrant la nécessité d'aider avec la réalité de la violence. Ils doivent négocier avec des partis opposés, souvent dans des contextes politiques délicats, pour assurer l'accès aux communautés vulnérables. S'ensuit les catastrophes naturelles, des ouragans dévastateurs aux tremblements de terre dévastateurs, les catastrophes naturelles créent des scénarios d'urgence auxquels les travailleurs humanitaires doivent réagir rapidement les infrastructures détruites et les conditions difficiles compliquent la logistique, mettant à l'épreuve leur capacité à fournir une assistance immédiate. Les maladies et épidémies. Les maladies, les épidémies, comme nous l'avons vu avec euh, la pandémie mondiale, mettent à rude épreuve les ressources sanitaires humaines. Les travailleurs humanitaires luttent contre la propagation des maladies tout en fournissant des soins médicaux essentiels, souvent dans des conditions où les infrastructures médicales sont débordées, les accès restreints eh bien, les situations de guerre et les crises politiques peuvent entraîner des restrictions sévères à l'accès humanitaire, négocier des passages sûrs et obtenir des autorisations nécessaires devient une danse diplomatique complexe, ralentissant parfois euh, la réponse aux besoins urgents. Revenons au stress. Et eh oui, les travailleurs humanitaires sont exposés à des situations traumatisantes au quotidien. Le stress émotionnel résultant de la compassion constante peuvent avoir euh, des conséquences durables sur leur bien-être mental. Le soutien psychologique devient donc euh, aussi crucial que l'assistance matérielle. En dépit de ces défis, les travailleurs humanitaires persistent, souvent animés par une passion inébranlable pour faire une différence. Leur histoire illustre la résilience humaine et la détermination à apporter l'espoir là où elle semble parfois perdue. C'est tout pour aujourd'hui aujourd'hui. Rendez-vous demain, dimanche, pour la suite. Merci, Seno. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Seydi Oumarou de l'entreprise en copain Amina Abdurrahman de Adair Africa Web TV, Abdul Majid Haruna, Next Tech, Hassan Anza Abdul Wahid, Elmous Picture. Kamar yadda suka faɗa fanni ne wanda mutane ke ɗari ɗarin shiga cikin shi kuma akwai ƙalubalen da suka bayyana a cikin fadar tamu kamar yadda kuka ji sannan sun ƙare da cewa idan mutum yana so zai iya. Merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rain da za a dawo muku da wani sabon shi amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalanku.